Man quotidienne d'aujourd'hui, 5 juin 2023. Thème Obéissez à Dieu, même dans les moments sombres, ou bien dans les moments ténébreuses. Dans les moments ténébreuses. Dans les moments ténébreux Prions. Père, nous te remercions, te glorifions encore pour ce matin. Nous t'exaltons parce que tu es un Dieu grand Merci encore pour nous avoir donné ce moment porté pour pouvoir écouter encore ta parole. Seigneur Dieu, nous prions. Que ta parole qui vient vers nous aide le Seigneur à l'entendre et le mettre en pratique. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom prochain de Jésus, nous avons prié. Amen. Obéissez à Dieu même dans les moments ténébreux ou bien obéissez à Dieu dans les moments sombres. Lisons notre texte dans le livre de lecture, dans le livre de, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 13. Exode chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 13. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parlant encore à Moïse et lui dit, Je suis éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu, de, Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom éternel. J'ai été établi, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai étendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans, les, la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dites aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens et je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et à et par de grand jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous aurez, vous saurez que c'est moi l'éternel votre Dieu qui vous franchi des travaux que vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, et je vous, je vous le donnerai en possession, moi l'éternel. Moi l'éternel. Je parlerai à Moïse je, parle, ainsi parlait l'Éternel à Moïse, aux enfants, aux enfants à Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, va parle à, à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. L'Éternel Moïse, Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne mon point côté Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit On donna ses ordres au sujet de ses enfants de réel et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte et les enfants d'Israël. Amen. Notre verset c'est le verset 13 qui dit L'Éternel parla à Moïse et Aaron et leur donna les désordres au sujet de leurs enfants et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Amen. Les gens qui ont le petit problème dans la vie reçoivent souvent de petites réponses lorsqu'ils invoquent Dieu. Mais lorsque le défi est grand, vient alors l'occasion d'un grand Dieu de faire de grandes choses sur sa vie puissance et d'accomplir sa promesse. C'est un tel moment que Dieu montre qu'il est le Tout-Puissant. Notre passage d'aujourd'hui sur l'assurance de Dieu à Moïse que la résistance de Pharaon de fondée du pays, de son pays. Ensuite, il serait forcé de chasser les Israélites de son pays. Dieu a exhorté Moïse à ne pas être désespéré, réaffirmant sa seigneurie sur tous les hommes, ou ainsi tous les Israélites. Il a raconté son alliance, raconté son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et ça permet de leur donner aux Israélites leur propre pays en, Canaan, de les libérer de la captivité en Égypte et de faire de son propre peuple et d'être leur Dieu. La fidélité de Dieu ne change pas avec le temps. Ce qu'il avait dit à leurs ancêtres plusieurs années plus tôt s'accomplirait à leur époque, qu'ils y croient ou pas mais ce n'est pas assez confortant pour les enfants d'Israël à cause de l'angoisse de leurs esprits. Malgré les incrédulités, Dieu a retourné, lui a renvoyé Moïse à Pharaon avec le même message. Dieu ne veut pas que nous abandonnions les des rivières souvenir souvenirs, détournant les gens de la réception de la parole de Dieu. Pourtant, comme Moïse, nous devons continuer à recevoir le message de Dieu. Plutôt que de nous concentrer sur nos problèmes, nous devions nous concentrer sur Dieu et continuer à lui faire confiance même lorsque notre situation semble un peu impossible. Pensez du jour. L'obéissance contre L'obéissance compte le plus lorsque le succès semble mince. L'obéissance compte le plus lorsque le succès semble mince. La Bible en un an. Deuxième chronique, 1er chronique chapitre 16 jusqu'au chapitre 20. 1er chronique chapitre 16 jusqu'au chapitre 20. Merci, que Seigneur vous bénisse. Père, nous te remercions pour le chant de Te bénissons pour la grâce, nous te bénissons pour la santé, nous te bénissons pour ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, aide-nous à être obéissants pour que le succès, tout ce que tu as préparé pour nous, vienne dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, merci car nous avons le tu as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.